Les gens sont venus d'eux-mêmes pour défendre un projet qui est le leur. Ce projet-là, c'est Barna Sénégal. Nous sommes en phase avec notre population et nous sommes là pour notre population. Je pense que nous avons confiance à aux autorités étatiques. Parce que ce projet-là, c'est moi qui étais parti lors, faisait la réunion à Thiès, dans les bureaux euh, du chef de service environnemental. Le gouverneur était représenté, les chefs de service étaient représentés, ils ont délivré, ils ont validé le projet. Et je pense que les autres étatiques sont mieux outillés que nous. Ils sont plus armés que nous, techniquement, pour dire que ce projet-là est valable ou pas. Le projet Barna Sénégal, d'abord, c'est une usine qui va faire 50, 50 emplois directs, 300 indirects. Et vous voyez, ça va, euh, ça va créer un plus économique. Il n'y aura plus de déchets au niveau des prises, au niveau de Caillard. Les pêcheurs vont se retrouver avec Barna Sénégal, les marées vont se retrouver avec les Barna Sénégal, la jeunesse aussi. Parce que vous savez, avec le Barna ou Barça, euh, le Barça au Barça, avec Barna, on a la solution. Le Barna est une société qui va aider le Sénégal dans son plan Sénégal émergent. Au niveau de l'étude d'impact environnemental, les préoccupations de ces femmes transformatrices ont été prises en compte. On a dit à la société de ne pas faire concurrence à ces braves dames. Ces braves dames sont une partie de la population de Kayar et Barna va prendre compte de leurs préoccupations. Ils vont avoir leur part de la prise de poissons au niveau de Kayar, mais Barna va prendre le surplus de poissons qui se détériore sur les plages pour le transformer en farine de poisson, en huile de poisson. Et ça va apporter un plus-value pour la commune de Kayar parce que Kayar a besoin de ce développement. ñëpp di ci faj Kayar d'accord Mbawaan d'accord Kër Abdou Ndoye d'accord Njoxob d'accord ñun ñu sës ci environ bi bu ko nag dafa am ay quelques nit yoo xam ne yi amal ñu Kayar njëriñ lu ñu fi andi dara te lu ñu fi andi ñu taxaw ne dañu koy yàq loolu nag moo waral jotaay bi te bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg maire ku koy jàppale nu jàppale la te maire d'accord na ci lu mu d'accord d'accord noonu ci